C'est un réel plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs du studio Kalangou et amateurs de l'émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes mardi 19 septembre 2023 et vous serez accompagnés par Salamut Kadri et moi-même Rukayoto Abdraman. Bonjour Salamoutou, comment tu vas Je me porte bien Rukaya, bonjour. Et fidèles auditeurs, aujourd'hui, bonjour à vous. Vous, serez vous aurez d'abord le flash d'information, la rubrique Écho des régions, la culture linguistique. Et comme invité aujourd'hui, nous recevons Salifou Hajia. Salifou Hajia, il est couturier et spécialiste des jabs et robes longues. Vous aurez du loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangou et notre page sport. L'édition est assurée par Adama Dawachi et la technique par Amina Hassan. Fidèles auditeurs, voici le flash d'informations présenté par Nafisa Adam Bonjour Nafisa. Bonjour à vous et bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou. Les travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies ont débuté hier 18 septembre à New York aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Boukaria Ousangré, prend part aux activités. C'est un événement qui se tient en prélude à l'ouverture aujourd'hui 19 19 septembre du débat général. Ce sera une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire le point sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 à un moment où l'humanité fait face à des défis multiples et multiformes. Depuis également hier 18 septembre sur toute l'étendue du territoire des épreuves du concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle et technique à CFPT. Ils sont 1694 candidats, dont 1440 inscrits au niveau national pour le niveau moyen et 254 candidats pour le niveau base 2 répartis dans 11 centres dans les 8 régions du pays. C'est la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Madame Elisabeth Acherifa qui a lancé les épreuves à Niamey. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à apporter leur aide au royaume du Maroc suite au tremblement de terre qui a frappé plusieurs provinces du royaume, rapporte Maghreb Arabe Press. C'est au cours d'un entretien au téléphone hier lundi que le président américain Joe Biden a annoncé au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, l'aide des États-Unis. Le président Joe Biden a indiqué, je cite, que les États-Unis d'Amérique vont apporter l'aide et le soutien nécessaire au Royaume sur la base des besoins identifiés par les autorités marocaines et tels qu'ils s'inscrivent dans le cadre du plan d'action multiforme déployé par le Royaume pour faire face à cette tragédie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa, fidèles auditeurs. Comme annoncé, notre invité du jour est M. Salifou Danhajia. Il est couturier spécialisé dans la confection des hijabs et robes longues salifu ni kanibani baan samay wala matarangu ah ok dako irgin fondogo kan kago to irwoni sigiro ay mo sabaran seda 40 karante ayse fidèles auditeurs mais avant on va partir en musique Ruki on commence avec le titre on commence avec Rankatakap de l'artiste Shoban featuring avec DJ Massataf on écoute Samari da mata na gari ga DJ kuma tare da Choban mun zo muku da sabon salo kwasele kukombere kwase ngude zangu chukumimu rakataka rakataka malan chukuminka rakataka haba rakataka kap kap rakataka akwana akwana atashi shida ya rose ya girma yaro ya girma Allah ne ya bamu da kashi iku na uban ku ne sai ku amshi Allah ya abu kudi na in ci gumina kudi na in sai mota babban mota kudi na in je Dubai in je Makka

so mataka in ba shege ne wasu ko sauran besi da kin juya baya su nemi mijinki wasu mata ai sun ban kunya wasu mata ai ba na kware ba wasu maza ko sun ban kunya wasu maza ko ba na kware ba asibo koyo ni madori ni kanga wanda wa ni nufakare ni wanda goni sani windora karnuka ne duka su kubar su ta haushi le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement de l'artiste Shoba et de DJ Mastataf. De son vrai nom, Bachir Mati Issoufou, l'artiste Shoba 227 est né en 97, 97 à Namaro au Niger, mais il a grandi à Maradi. C'est en 2018 que Shoba 227 se lance officiellement dans la musique au sein du groupe éphémère Tic Tac Forever et en 2019 il se lance en solo à Abuja au Nigeria. C'est ce qui lui a permis de se faire connaître véritablement dans le milieu de la musique. Plaza. Aziz politics kuma sun zo les amis temporaires farai ko duk mutanenmu ne suna tare da mu wayanda ba mu gani ba ɗan hagu ne kawai makiyan mu wai ina su mu ina suke muna so mu gansu mm, ina suke ba su san mu ba su san mu ina suke amma ya Allah yarda sai mu yi magana ina suke Allah na tare da mu su sun zo siriri lenge-lenge. kawai jakin tirmini wallahi ba su da komi ko sisi sai tsiyar su ba mata ike su bayan haka C'était l'artiste Shoba et DJ Mastatafa. Maintenant, Ruki, on revient à notre comme invité. Annoncé, nous sommes avec notre invité du jour. Il s'appelle Salifou Danhajia. Il est couturier spécialisé dans la confection des hijabs et robes longues. Salifou Nikanubani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. irgun fondaga kan ka de kuna ir sigiro au Niger sur Kala nig famandir se nigo matan da matan wa gona gateda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alsilam alsilam nyima kul kango hanganir se to ni bay cert goyo ay gati ay go kyau ay gati day zumbo ekol ay aimzur kwabu yadi yadi mos mos mos mos ay go aigo dai gidondo aigo dai gidondo son kala to nan kan ay di kan wallahi woni wo day kay gabra aga agbi sai sai mbo ekolo din ka koy class classe margin go kan nan ngi tayen terminal mbo nay go te hmm. ka aina hmm. parce que ay tante sorfo ça n'a pas marcher et puis ay mora ay ne song parce que ay yongono irko nik baray me irko mana ko dorni se o kerran me ngoro go doli ngi denon gabandi kan ni ko habde ni no bore no go hab kan do no ko don no wal dai patron fure no go ni se matano na sintin gati daga matano ne don don da fur a fur na se kan na na ko na ko ko na ko habu wani no iri bayan famu ai gonde onkul no kan go habu mm. ay gonde onkul kan go habu kan sina abdurazak to ay kwa bande mos mos mos mos ay kwa bande bongo man ti baade na agte kwa a fo no gon ka agneri fura gine arke ya mm. apre ngona ay gonde chor fomo mo kote fo mm. ngo jabende no agta mm. kul ay di mo vraiment odi ngum bogo chow ago furo dirra ay di asiga asiga ampeshi ago chow ago goy ngona mo apre ay kwa do inda go collaborer ya di mos moso aga faman de si matkay dum yote da matkan dai ay ga kutira ka ka normal mm. girbi fo hinka in semaine san watu wakin non sinti giri naga giro ba giro kan 2015 rana in sinti 2015 eh kan na sinti 2015 ra watu wakin non wana to wallahi wa imkin si gai wani akula kulma bisa in semaine hmm. ai mu wana akula man bisi in semen mu wani tayin wo da dumbu yon wo da men da men da ijab tayin wo akula akula yan ga irgin ne kan ni chora bun bonin don non andi tayin wo ai chora mo ne don non andi sorhin abin bi sorhin zikan ake bai se da mashino bon pedale yan fo village no mm. machine fo village bon de no ay karum mm. ake bai se matka igte ay mo en même temps waso asi ay goza za ke bai se en même temps na igza kala ton bon ngun bon da goye ba asi gumo ai sen na akate dai goy amma ino kaina yadi yadi yadi yadi dai no inda rugo charra alga kaso inda go ba so inda mono go charra actuellement

Hmm. triangle ko ngi no tis folla donc ikul mono den ikul mono regti wato kan sinten 2015 wo fo do mhm. no go yayi odi wato di wo simple no go yayi hmm. simple so binde yi wo ko jine bore go fam ta lokce go barma ku dinga yayo no wala ku dinga yayo no to ijabe bandi fo na rangi yegte ko ijabe banda hmm. ijabai bando so ay kunno ay sigte de gina pour le moment nanga ijabai kan kan ka ijabai yan mm-hmm. ni gonda ay man tinne ni gita robu yan ni gita mudun yan to famu dirse wodi yan mu o oh, to ay gita pantaji pian zanga su forme pantalon ke beer ko idin kwa mudun mm, fala ngay ay gita jipian ay te ba cocktail rob yan woni mm. rob cocktail ay din kulli kulno yergete de mata na mata no ni gite danga mu zakan ijab yan dai non don don wol wodi mo ni kulli ay ni don don no pat irga bai danga kan nini ijabu ta yango dondon mm-hmm. nini ijabu ta yango nan ni sambu lokaci ni ko go robbai mu da mu dunga dumbu yango dondon wala atelier fallan kara dai non gorga dondon ikul a falankara kara dai non dondon ai man fatta ko ne modin dondon ikul a falankara kara dai non dondon parce que ngo dago gi no ai gi mat ka gi dumbuno en même temps ai go wase gi samu mm. oh. mesure ai da haya kulu ai wa ba za mesure Il suffit seulement d'une me une ni photo ah, no bere <laughs> <laughs> no ko ni tu sais quand Niger ikul igi sambo no photo baram ki 1 mètre comme na ga mesure en même temps na hmm, de bora poa wala de bora poa hmm. ah poa o photo de no ah, okay. am ni visage ni photo azai dini photo aba ya dinga son yi duruka yo kan ko kai ne dirga ba nim tayar si rob mhm. son kan nirgo ne zani ko aran aran mesure hinno wasai son kai yar aram ku yo aba o kan cinde man tar sai dirka aga temo normal ni si zabuni da man tay ni nimsa bai gagai is ba bada la lalle ir ko no to tu sais karan gweda tu si fo endu to tu si fo ngon kan sigine dan kasina fo ngon dan maradi afo ngon kan sigine oroso afo ngon crepe afo mo kul ijaba wona yenno kul ijabe wona yenno pat kul de robbe wona binde robbe wona bo robbe wona ngono ti crepe tibu mo igati rob dan kasina ngo ijaba din dai ni gitira ijab si perpose di ngai ga na gbori voilà ti si suamo gono okay manga na rangi somo to iru an fo irga samu shin han fo mo irga za nan goda nigeria mm. don sa dai fan na matkan no harka go tera mhm. dinga ba kya kuma dole ka din za nigeria mhm. din sin kya kuma mo kadde shin kuma irgon boryan no dara irga sam de no apre yika ka dai di sam lokci ku kuma to son da borka son ayo kan goga bindo mhm. ayi no gai tisiyo suban wala din kanig ne filan suban tisiyo wane wane no gubori wal wane no ti hanna ayo sin no shwa ni wa kan niga bani nog samma ay wayon ay ay mutada ay mutay noraba aran bogti si han bay me irga bay me mm-hmm. irga bay me irgin se filana din kani mi dai digin shwa te din mandu shwa ir wo zani se shwa amam der muten se So nan karun go goy waran bor mar gino go ir borin kide no go goy atelier follan kan o oh, inde frère de no go goy oh, no frère o mon ban na no wala ah ngo charade no irgo kin ganda kan no don ngandi ah, no ta ja frère Mm. Ah, to so irga birin bai zarora hijab mm. marcin nuwaran gati to wala do sade pan de journal an fon da journal kan nga bati 40 complet mm. de journal ban kan da ya de an fon borin te 10 yan 5 yan hijab kunu wala robbay mo surplus naran danga surplus naran ga robbay te wal borgo ko yega kan iro asene nim ko yega ka dinga bara shafshaf iga te ni se ni se bara shafshaf mo ni ginga more en même temps iga livrer ni se kalni kwara asene mbonim placer Ok, Kaniga. Avant de poursuivre, fidèles auditeurs, cet entretien, un deuxième tour en musique avec Surbadio de Etran Finatawa. qui signifie jeune fille du groupe et Tranfinatawa les, qui signifie les étoiles de la tradition. C'est un groupe de musique basé nigérienne dont la musique est qualifiée de blue nomade. La musique des Tranfinatawa mêle la musique traditionnelle touareg et des Wadabé à des instruments occidentaux comme la guitare électrique. Le groupe a été constitué en 2004 au festival au, festival au désert après auprès de Tombouctou au Mali, un signe d'entente entre deux populations du Niger, les Touaregs et les Wadabés. Composé de chanteurs et de musiciens des deux peuples étrangers, Finatawa se donne pour but de promouvoir leur culture traditionnelle tout en la renouvelant par l'emploi d'instruments comme la guitare électrique et la guitare basse, introduits par les Touaregs dans les années 1900. 70 à 1980. En concert, les musiciens et chanteurs se produisent en costume traditionnel. Les Touaregs portent la robe et la chèche. Les Wadabé en robe longue et portant des chapeaux prolongés d'une plume ainsi que des peintures faciales. La parole des chansons sont composées dans les deux langues, le tamashek des Touaregs et le fulfulde des Wadabé. chers auditeurs, c'était Sul Bagio Retro Studio avec notre invité du jour, Salifou Danhajia. Il est confectionnaire d'hijab, des robes et, et, des robes longues. Salifou Irgi Kaniga, son aïk bain bain hijab, furtage hini se onigati. To, lalle furtage o ik bai se gomo. Danga ik te furtage, dang furtage o ne ke te ik ba mo bis dotige ono. Zama ik ngene sayo ay wan cliente ba kul furtage no. Mm. parce que yaay tege no donc don kalde for tege voilà de nigite dotti ge mo se wal matanu to dotti ge mbo irgite ici parce que nor sanino mm. voilà donc nor sanino matkul kakara no igate da voilà dotti ge o fod man arngte se to dotti ge o a fongon kigine ka dai jip dai jabiya yakine mm. parce que dotti se kaga ya zanka enda mm-hmm. voilà dotti fo mo gon ig baim ti se zanka wono Hmm. sinon bayo kulwo simple den ite mm. a fongon makaranta rani fun imka im komande im te kwa iri bai kan buryanka a follon follon gingai wani kwaye ite mm -hmm. to wakan na ki sonda makaranta ko man dai mata ni gite makaranta ira mhm. di fo makaranta bore o inge o ikare no im suba o ba didu o ba igane ma tinga se zanga su form zanga ibambatay kan asi bora farmo ka oval fa jip oval fa so ija bere ya kine i commande mo kaga to i bobo yamanti kene mo mm, i commande i bobo mari kine misali ga bon ba da ni sfongo misali ga ya kine to an to waran kina ya kine an hmm. fo hal waran cingu an fo hal waran sadi pan makaranta bore matki goda wala to so ni ne nigite cocktail kwa yan nigite mudun yan ai ban ban nigite wahi ge mose wahi ge mose da na ite kinki mo ne ge mose da na ite parce que danga igay deno aygite ise kinkim zama ingay no igo yora ya mm. yayo no modeno irgote to son wihige wona tu se karanga tada mm inga mo manga na ranga funun dai tu si follan kaino wala tu si yon gono wani kan munti wo kan yaran ga da ijab ijab da rob robai mm. kan burkul kan karan ga se to wallahi irgite te no kan si bora zanga kan si transparent ya kan si transparent kan si bora formo katare ya kine mm -hmm. ngida no warga teda borasi e man tu si follan kai rang teda wai jo se cocktail wala i wana go wani to cocktail wono go parce que ngo dole il faut mdu tisi hanna ki ga teda zam di te tisi kan si bori cocktail jama harka astimi donc il faut mdu tisi hanno tisi chic qualité kan za baranda bede yadno ka tisi chic kay ni manga de fununda tisi chic kay shin neranga fununda ngeyo dole kadde shin harka ko kay ngoni nyalaw nyalaw voilà wodi ngo ngeyo gono apart mm -hmm nge wona à part quoi voilà to taye kul kan go gite bore taye kul kan go gite no mbeg du bore kan ka gane newo man sere newo sere ga newo beri odi wo asimanke asikan goyrawo dole no han fo mbor te erer deno bor kulno sin kas te erer hadde ne no tarno dol ne du erer yan fo wadi yan banda sande fo nduma na rango gidi yaron goyora to wallahi ay ne se sande wo asikan Mm. sam goyra o dingo goyra do no nigdu sandai kinkin mo manti kena sandai bobo mm. manti kena fa bobo zam dai kaga famandi nigin ah, famandi se dai kain fo irin bay <laughs> to wallahi ni bay o borewo i har kai no kaso bora an fo nigdi an fo de bara si bambu har ka ko an ba ne har ka amanti akka fursandira wallahi one filan amanti aman kana se bore on disi bai dan disi bai mate ni gati mm. bore nigdi gin kenge go ka iska

es ay ga amantai se mm-hmm. Mm-hmm. ay mun du lokaci kan ka tani sai habu mm-hmm. te gir girbi fo gir girbi hinka gir girbi hin santai go ka habai ma ka kabai talino ag ta yaron do masala wal matano wadin mo sanda aron gona wadin ga ba ba ton bo ni ma tunga kan bo se irga kalni ko arir mata ir mu kirma sin me ge katani se wado man problem fono parce que ni kanu ni beren borbar jino gon kangate ni ka do amante kan ni bada dole irge ga hansin se am kamat kan ni bada wani nga da barfodi ngam wakka to so aron gundu boren ka en kasan baran dogo ner zamir di jab te ko fon igteno boren ga sambu igu koy ga nera aron gundu ijab yan karan ga te wala rob yan wal mudun yan karan ga ngate aron gundu furta gen ka en kasan baran ga koy nera wala makaranta koy fo yan wala ni adai aran sigen boren ka aron gundu boren ka en ka ga da aran ga koy ga nera sangaran ga te aran ga dalle yan raga dabu dubara ka bara ga didi kula ro wala modelo kana sa sun ga dera amin ga sambi zuwai am ko am nera pram ka taran senoro

te ginga fataw kite wadi yan kuldu marangudu wadi yan ibobo manti ken wadi ibobo parce que wobore ngon nongo ba isinde fa kare ba wadi yan numa imte me kadde sur dar kadi hmm. er mo fam faman dirsi <laughs> to kadde sur zanga borani gidi asinde nur kan agati agbinga masintin borasin norumo donc bore mo gon dinte ise igin dargano hmm. afo mo gon cert dinte ise ikat me afo mo gon iskatano wadi wadi ti problem gon quoi hmm. voilà To son ke yan fono goni se furta yayi dokan yango gogir hangan yan yango dai gorno isi ga muradu kulte gogor kan mu kwali kyauyen wo mungu kyauyen sikte fatau ki kurrano isi go dai goro ga shayi han. To wallahi wadi wo ai gine ni i igon problem beri no dara. Zamini woni mine zawai na nyoti dabi nyoti nim nyota bando aste. Il mhm. faut nim tunnim kainim bose ni bonse. Parce que nin no alboro dini alboro fami dai no. ne ko kana no na gigere ya nga no ni keno nim kombane bon se mas kay mene nim baze babol nya bon parce que ngay mbodi mon tun kai iska hali min hay mboda yara ni keno nim tun bon se nim keki banu go chaw banu go chaw nim tun nim kay nim keki parce que ni sing bay nan kan irko e fon fer ni se zani tun mo irko gidi ni se irko zan tun na gidi ni se e ne nim ka gorga shayi ga fada wallahi baki gone go sino goy gon fa wa kul zani tun ga kaino. nigdu ko kan nigti hmm. da zonguno do waran kano ay kul kan nondu atere no to abori dai no asalifu irgin fondo goyi do ko karo kan aran ka to studio kalan gufa karasi ay mai sabaran se do nyo karante shi abere ga gum gumo oh. Rukaya, c'est l'heure de la rubrique Hebdo. Oui, de la rubrique hebdo d'aujourd'hui parle de santé. Nous allons parler des maladies les plus fréquentes au CSI de Timia, région d'Agadez. Ce sont des maladies liées au manque d'hygiène malgré les campagnes de sensibilisation que mènent les agents de santé selon les responsables de ce centre de santé intégré. Écoutons le major Silman Ismagil au micro de Habiba Ahmed. To da laktura wannan wani adinin ma masu musu tornatat lam sigaci. Tornatat tana da sigaci wajen tornatat na mazala. Tarcin da wurin sigaci mara da furin kila ta tattorna wajen cikin tadis ta karansa ibasan kila na sofa zarra mara da tornatat na stoma mara tarcin tornatat tamfali ta kada kwan ta mirta na jannadi wala ta girsinka. to ta tanasara ka maji tawan turnamentina turnamentin nazar ne mazaran da kullu kalnat sassa zan ibandazdak هذا ما مرة يمكن تتمر ثلاثة تميرة نستثمر دمر تصمت تودو سمد وي تود مزلا ولن ترغزن فول لنتو وربما دنا لا ترمت مرة ترنا تن بهل انت ادشي على كل زده انتو اشتوى دما سان يرين تد جم قدا ولا ما سان ورر انت دير تنش تجين ترنا جن تو ترنا برا رومو متكنا دسنت ميدا غلكم وشارم yo turna ya mara tam mazalan da kalul len sar burara mucuk ne da mara tun wartin zuratin da kalna shida mara ci ala musharan da lantu shi to kala sorto na tampali te mara ala kullu to sholen turna tampali wannan yaro musharan da mucuk turna ya mara tan tirisinta غلا كنت وشرني يقول لي استقت tanzarat da sirbaran dulia maratan da stomatan da torna fashara ta wuni ilsar gastrik wuni wuni qadulia salakun washar ne jawle تفكر أن تملا مكواش تقوى سمو قلا انترنا وانتنا غربا رارا انتنا غرا غلاك ومشارنا يو ترنا وانتنا دلا جو سادين ورقة رودي شاء الله جو جبرا مرتولنا تموزلن دي مغا اللي غربرا رن لن تون ساحة وانش مكان ينبار مسا ورغا وليان لتون ساحة وانش مكان ايدتو فينا نمبر تنتقن دغيوان المثال برا روا ومدران جسام مثمر لدى الشام ذو الموضع اللي تو أرسنا ملتزالة ترمد نفسيف أما قالوا سامي يا رغيوة أما قالوا يقالس يوم كجبرا دن تعرف تني شمك نمبر سنت قالوا غون تزار يقال بزير مري بقاي يجي يقول ولا كترو ولا نقل نستنفس ولا بسيروتهم ولا بعد تمر اعتزار الجنة وي أن تغمغ اللي بنا تغرقوا تيرس لين كيرن تدا أن تقنوي أرتسنا مالسير أو تغرقوا ጥላ ሱክነት ላማነት ተጅለጅስምነት ትሳንም ሞቃሽ ከነብሰ ኩሉ ቲዩ ተሳሰግሪ ማሰንም ሞቃሽ ተወክኑ ላላ ወላ ሐወድ ያልተወነ ኩሉ ታም ተብሰሳ ሞቃሽ ከነ ኩሉ ሞቃሽ ከኑ እመገልዋን ነው ዘላዋን ወንለም ድንከንታ ድንከንታ ረወት የመር ላላ ወራላክ ሙሽራን ተዳ ይምግላን ለንቱ መዛ ንለን ዴዳ ንስሓት መገረው ተንፍርን ኪም ግላን ተንደ ለንቱ ለገረው ተንቀለ ይምግላን ተንቴ ዴ ነር ነር ዳር መሳ ወደ ፓዳስ ተሟል ለንቱ تيبي تيكن دور غالو قيام كون كيد كوتري دي داموكسلين مرلان توا دم غلا مزلا كيد برومتازين دي توفن تنيدا في المزلا في البارا سنور نصو مرة سر تورنا تنزرات غالك موش هنن تنيدا قردوان يمغلا مصنع وندو يدروكسيد الليمينيوم الدوسيمتيدين في الاستومات موني مرة برا رنغرون زانك يسيرو artaqalamutukina sunatan poili nila kortem summa la artimata mfentirin magala wirtil nagni jarmar muzel dalagar garmas bararan تعلق موسى نقول له ما قال لي عندك الروم وقلت له تم باليدي تو تنصرك ما جيت تاول نطرنا وانتنا المثال اللي كان مازلا مازلا وني قال لقون تم تنصر له له اليوم تنتين لقين المزانة تجرغم شتر تاقل مصرنا تنتي سدي نستمع تندي كله لقين ضغط تت نقدا تورق النيوم تتوا تتر تيان شهدا تجي تو يعني بان صوت تي ضغط نقمار لكن طرنا تنتين دي تندشي تتي تموسان دشي دات تو يعني غلق غلق غلق أشواتيج نولي ما كله ريبا زان الشي نزار تلا على كرام تقني سنجيتا أرتو انت جتاويون ترنا انت لتنير الشدي يو منن كهالا تا تجي مثلا ما لما مثلا أرتو فرق نجلكم كنت مخوطة رس دا صورة تقني سنجيتا ميدا خاشي لو رزز ديقا لا أظن كل لو صندق على كن كن نساعتهم كل نتعرفه أرتوقع استزدق أرتوقع استهتي أرتوقع كل نساعد غير نساعد على دنكنا فيلا صور المثال ورنق شنقي تقت بالي الرجال وزع مغود غام قال بالي تينا قلنا شنجا زقر توي استنتقن ساعدهم كله نكدا مرتقر المثال شاعت ليش نسمونه وانا سنتقص غور أتقم سودا روان تاشما أتجين كان سنغت التزلك كله كما صارت شاع شوري دان انتاس ارتوني كله لا لا سيسايون تاجين تنمر نمقر أغرى على سلوس لنقر لا لا تنمرت Chers auditeurs, après la rubrique hebdo, nous allons repartir en musique avec Big Abdel qui nous chante ici Aouré. on the beat. yau san Allah aure sun ce inni na soyayya a ce ta mu Allah aure sun ce inni na soyayya aure kai ka gane ta kana da aure jikokin amince son ton so ne ya kana ta ya kare Gaza a ah, roho oh, itakutaza amalia la malafia shine yauza amakufata ankurinda juda ya za matina sesufa rana salaha ce enga rana murna ce kibuda. rana salaha ce enga rana murna ce yau kibuda. fo sobe iga suru danga goroho ni kurunya charga hu ga bisa aga bani maga se nani sambuga de wonti si bonzi ki asan ni se ni kurunya no mabonzi aga bani maga se nani Aure qui signifie mariage est le titre que vous êtes en train d'écouter actuellement de son vrai nom Amadou Gadou Abdoulaye alias Big Abdel est un artiste chanteur, auteur, compositeur. Défini comme quelqu'un d'introverti, Big Abdel explose littéralement la baraque au contact de la scène et du public. L'artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et d'éveil des consciences. Depuis son sacre, il s'est renforcé considérablement à travers la pratique de la guitare et sourire de plus en plus vers la musique plus universelle dont on espère qu'il deviendra une figure emblématique au Niger. C'était le titre Auré de l'artiste Bigabel Salamatou. On, place, on passe à la rubrique Écho des régions. Et Rukiké dit cette rubrique d'aujourd'hui. Elle parle des femmes du groupement Bani de Doumi de Agou, un quartier de la ville de Balayara qui mène depuis plusieurs années des activités génératrices de revenus. L'objectif principal, c'est la création d'une mini-caisse pour mener, pour mener ensemble des activités de solidarité. Écoutons ce reportage de Mamata Dandokwek. gurbama bani mudumi kango nodin agu radio suri jarga wai borai na kamba dancar kamba ga gate tekun dafu gingai kamba goi dondo wadin fandara ai kwai gigar nan kan igicar margu ingai wan turin yan wakira ai fa karai di wan presidento ai na ha goi fo da goi fo no igogiti maryam kanna ir borwaran kicin dugu waf kai da suru da bin ngu ngono nan inna car margu goi wano wano borgerai ga ta borgerai ga ton borgerai ga sidamsi borgerai ga te turaru yan ngada nir go girgo teda ir gonda egre ma ir tresi ir group ma ko to girwo cindi id borai mi hinde ker su lakal cendon kai ci zamdi man ci suru borai su garo da afo bin tun afo mi hin suru kadijat isa amanti kala borno kan go presidento jarga hankan han presidento sino inga no ga hagoi da gurpuma ba ni mudumi ke darawo gurupuma wo na fofo no igogi duwara i duwara tonton bobu gomo. bon fere han kan bor su fahamda kul kan bor funne cele ranu gogi fahamda dun dun gora do hare ce le fonda non go fahamda di che ce do hare ce fonda non bor gogi fahamda tonton bobu mo gono ka irgogi duwara zamir gogi carga kasine len kalen o ka irgoga ci kwa kate sintina dai kin sintin sintin no ngwari bor gin kudu falaw hin ka jine kan ci de me ngwari kan bor ga mera bor gin kudu wa ara hin kan ta atona kan kan hino irgi te nooru nooru borgin ku zambar waran ka cinda hay fon sa de pambay kuddin hina de dan kir kwenna way guno ne sayir gin dan zambar no de zambar yin kuno an kan gin nugu doru no modin wana ka ga to tela ga don ne fitina wal ya cina irko mir wawadi irko mu su bonno kan kuna asana fara na funo boray go cece zaman kunna dunya ban irway boray hin kun tangam hini albor sina boson zamano karra ir zaman kun hay kulu way borno go gati taksi ne inguno go banda maryam kan na grupo igumo gumo irgon mo marg marg yan kirga te zanga zanga sir plus barfo muku aramo ya fa kan ba ana da mizubu zubu imi ya fasi kan kango isi gag sinai fono igo do kesowora ba bor sinda dal no yakini borga ka borga fahaman din kala woy boraisi wallahi hanawu ai gaba yakin filana da zambar woran kano iga garauni se da zambar waino iga garauni se hankan gihin hinde din kaga ci iga garauni se irwo gir fatauke te ir fatauke goga ti garawir se dinin no handufo da handufa din to irga ka ma noro yeti ir kelfo yammo diga ba ngai mu sambu imano isi wa fakaira ai dai bon ainihin tun disa aini mai no inai no tunu ai koy ga uniform ka so an dai tunu ai gino noro la sab ai miyak kan bor fo mo da ga ba imna senga mum ko ginga fatau halak ka son ir kan bugoye do hara ir mu du nafa ir mu du gin ka dai dir tun ga kai ir bonga ir ma kan badan kyar kan baga ga te nya fo babu fo danga kan din na habirgi hau aga sakon ga bori ga kai nan gufu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, place à présent à notre page sport présentée par Soumana Amadou. Soumana, bonjour. Bonjour à toutes. Soumana, le week-end passé, il y a eu plusieurs activités sportives à travers le pays. Oui, commençons par le football. Et la phase finale de la Ligue régionale 2023 a pris fin le samedi à Maradi. Le Kandarga FC de Zender est sacré champion national. Il a battu en finale le National d'Indy de la région de Dosso par un but à zéro. L'AS Toudou d'Agadez occupe la troisième place. Ainsi, le National d'Andy et la Estoudou, respectivement deuxième et troisième, montent en Ligue nationale. Soumana, ce week-end, c'était aussi le renouvellement de certains bureaux des fédérations à Niamey. Oui, tout d'abord, la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle qui a tenu son assemblée générale élective le samedi 16 septembre 2023 pour le renouvellement de son bureau. Onfana Moussa se succède à lui-même au poste du président de la fédération avec 14 voix contre 11 pour son challenge Ali Damalam et 0 voix pour Abouba Ganda. Ensuite, la fédération nigérienne de taekwondo a aussi renouvelé son bureau où tous les membres sortants de la liste du président Soumana Sanda ont été reconduits sans difficulté à cette Assemblée générale, nous avons rencontré Sule Isaka, président de la Ligue régionale de taekwondo de Dosso, qui a déclaré que le taekwondo se porte bien dans sa région. taekwondo parce que taekwondo barno amma an kuna alhamdulillah diga nyama ke doso gada kaga ka ay mene tay konda doso ka alhamdulillah rek sabu so aran doso aran gonda equipe regional er gonda équipe regional aran gonda club marje kine er gonda club wo kende hinza kanga fédération gabay aga o ga federation si bai mbo iga bagumo parce que fongo nda ir koy bada federation na uh, ir no fondo ir mi feeri autorisation aseno igene affiliation feri feeri agin to danga club bo ka walla club waran sikinday fo inchallah compétition maga ir gonda athlète bobo silman kaina bi fo da dai ir gonda woy boro fo kan igana se farida sumana kan koy competition turki donc aran di din do so ir mane alhamdulillah zakan kan da ir koyte eh, ir do sai zai ir godu ka ba fatta tare e pidi ikoy mo igo kan ninga wane eh, an ka himanda kulu inshallah yone beri kul kai gite hadde babi forka ne wonya mai eh, nyamai banda irdo so de no gada ke ritual eh, di sahel bi fo de irka irka kupa mamasho boy kuldi an kan no do sake parce que da ba kupe ne o so ifo faut sende karan taekwondo do su gogiti to ni bai sandawo asibagum fisibillahi irgin bore borewo kango no federation o kande en kunir ka kare no kan jine su mana san kan kitir wani president ogo ngay kiti ko kara pesa ma ngay no go ganan ta tay ko ndaw awugete ir gonda don don ko bobo doso ir gonda doso labora ir gonda hala katrem dan do herbin do wallahi alhamdulillah eh silman kaina dai a mangay confederation federation ana dotation yante ir doso wona ligose furta jey webore da albore mata na igoga hawdan aga wala furta jai webore da albore dimma agaba asinda azanka webore za asinda albore Donc, euh, c'est tout pour ce numéro, mesdames. à la prochaine. Merci Soumana pour toutes ces informations. Salamatou, nous allons à la découverte de qui aujourd'hui nous allons découvrir Abdelkader Boubakar Salifou Meizirji, âgé d'une trentaine d'années. Il réside à Gaïa, il exerce le métier de peintre et de décorateur. À travers le recyclage des pneus usagés, il confectionne des articles décoratifs. Son portrait est signé Fadel Alou. Tout a commencé en 2001 pour le jeune artiste, l'année où il est allé en exode au Ghana. Contrairement à ses camarades vendeurs ambulants d'articles, lui, Abdelkader, a décidé d'apprendre l'artisanat. Je suis parti à l'aventure. J'ai vu, bon, au lieu de prendre les CD ou bien les disques pour aller promener, vendre, je préfère concentrer pour apprendre. Qu'est-ce qui fait que je suis venu m'installer ici Parce que ici, c'est chez moi. Aujourd'hui, Abdelkader vole de ses propres ailes grâce à ses créations. Par exemple, la confection des banderoles des plaques publicitaires, pression sur les t-shirts et je fais le, peinture bâtiment aussi. Je fais aussi la confection des cachets et je fais le recyclage des décès comme les pneus. On transforme les pneus en salon et il y a aussi la teinture bâtique. L'un de ses clients trouvé sur place apprécie le travail du jeune artiste à sa juste valeur. Oh, vraiment, il travaille bien. Il connaît le travail. On peut dire même qu'il est un fantôme dans son travail. Je suis satisfait avec lui. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Abdelkader Meibridi a ses projets d'avenir qu'il souhaite un jour concrétiser. Maintenant, je suis là en train de planifier, euh, comment dirais-je, un plan. Je veux qu'on dise les jeunes filles aussi ont embrassé cette métier. J'ai une grande rêve, c'est d'avoir une entreprise que il y a beaucoup des employés qui travaillent, même maintenant, alhamdulillah. Je remercie le bon Dieu. À ce jour, Abdelkader Boubakar Salifou Mebridi est le président communal des artisans de Gaïa et le continue d'innover dans ses prestations. Fidèles auditeurs, marquons une pause musicale pour écouter Tal National avec son titre Mina Afrique. ga amma wo kirkwai ba munafikai alhaju dai miman dai zai mana tari komai hai dugudugi zai ire bar kul masihi gada mun bar kai gada nin din ga muri min masara nin kan mana hilga ka nin din darsha imir karkasai munafikai yarbai ga aro ay min nodal ha dayna banda mare mai karga sai aro ay min nodal ha dayna banda mare mai karga sai alhajoje hirbai ga amhana babare mo amhana babare mo ai remo ba majaci ba remo ba majaci ba almai da danni mola da mola goga he guna sangai nahi gawani turwa Would you buy kamar guna isi ba ga kwai ture mana ga ga kwai ai da mamma ai da mata ni bai shara mamma no ba me me su man ni go wala bin de mana ga no ai ga kwai bo maradi niga naru isa tulu zebere isa mateni bai ama isa mateni bai pada danga barbai niga koini aba managa saidu hero teni bai teti roi senke senke shisha do niga sule shisha do ine niga naru alborku ko falo sidano tala man ibu na sera tendi bay wala man no higa ala may do holla no higa koy bo amma bay bay ma mamba fofo ma fofo chana abakan na man chana taranzi tero man tero forfo ara ni ala may de mola de mola go ga he gur sande would bale, bale, would bale, bale, would bale, bale, would bale, bale, would bale, bale, would bale, bale, would bale, bale, would bale, bale. Zaga maraguna hisiba, alabora chimbi ga zaga maraguna, wai bora chimbi On passe à la rubrique Loti d'aujourd'hui qui porte sur les filles âgées qui tardent à se marier, n'est-ce pas, Salamandou Et eh oui, Ruki, dans la société, elles sont nombreuses les filles qui sont montrées du doigt par la communauté. Dans cette discussion, les femmes du studio Kalongo attirent l'attention des gens sur le fait que le mariage est une question de temps. Écoutons Samira Rouafi, Rekia Arimi et Maria Kiji, Kiji, Hey! Kiji. Asiya da Allah daina danna dannan wayan nan ki maza kan mu taimu makara ga wanga tawon. Mm, Aisha kullum kina gaugawa abin da gani nan bayan ki wani labari dai ne nike nan nike karantawa watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha kullum ina gaya miki ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya za ki kirkira ma kanki da matsala wata rana Allah anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi a'a ban gani ba to dan Allah ki daina ki maza mu tafi to kina da gaskiya na yi shiru kafin in ja mu kaina wata matsala da hakan zai fi miki kyau <laughs> ke duba fa kamar raliya ce nake gani can ke ita ce tsayan kiranta raliya ke raliya Aisha Hasiya yaya kuke tun karshen karatun da bamu ga juna ba. Wallah haka ne ina jin mun kai ma shekara shida. To ya ne? Me ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu. Haka ne. Kina nan kina zaben miji. kina nan sai kin tsuha a'a ba haka nan ban lokaci daina bai yi ba ke raliya kan ma ki saurare ta dibo kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki mu wuni lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki to a wuni lafiya ko. to raliya sai mun yi kiran juna hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba me nayi kuma ya zaki ki ce magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba hm, kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda in ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau ke dai to kai ki ƙara gayin haka ke san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum ba ita bace za ta zaɓa ma kanta miji kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba to iyayenta ne za su kawo mata mijin suna iya yin haka amma ba a latilas ba amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko gaskiya ka to kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa to yaya zan yi in sani Aisha to tun da baki sani ba ki bar gayi irin wa'anga magana hakan ga yanzu tana yi kin sa ta wani dogon lissahi Allah ɗaya san ita abin da take ji yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da ta da gaskiya kam zancen gana ke yana da kamshi to kin san ban san da abin zai zama hakanan ba kuma na yi hakan ne ba don saboda kuma in bata mata rai ba ke rai kai ba na sake ba nan zuwa gaba to hakan dai zai fi kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce hasiya sai ki ce ma mijinki ya ɗauke ta ya maida ta matashi shi ta biyu a a a a kin zo ƙarshen fimkin inda bandi zai kashe mai fimkin yaya hakan bari ba mu kai nan ba zan dai muta addu'a Allah ya ka mijin na gari gaskiya kina ba mutum dariya to amin <laughs> na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya muta zafi to ba damuwa Chers auditeurs, accueillons maintenant Asumana China pour la culture linguistique. Il nous vient avec l'expression Assemblée générale de l'ONU. Oui, euh, Salamatou, bonjour. Euh, bonjour aussi, euh, Bonjour. Donc euh, aujourd'hui, nous parlons, comme vous l'avez dit, de cette expression qui fait l'actualité mondiale du moment, Assemblée générale de l'ONU. Il s'agit donc de l'Assemblée générale de l'ONU dont la 78e édition s'est ouverte hier à New York, aux États-Unis. C'est la principale instance d'élaboration des politiques des Nations Unies, rassemblant tous les États membres qui sont au nombre de 193. Le rôle de l'Assemblée générale est d'étudier et de voter des recommandations relatives aux questions internationales sur lesquelles elle est compétente. Cette Assemblée générale est aussi l'occasion de décider de la répartition des bénéfices. Elle sert de même à faire un bilan sur la gestion de l'entreprise et de soumettre au vote les décisions courantes de gestion. Elle se réunit du mois de septembre au mois de décembre chaque année, ça c'est la partie principale, et puis de janvier à septembre, ça c'est la reprise, et selon les besoins, y compris pour examiner les rapports des quatrième et cinquième commissions. Je vais un peu parler de cette expression donc en Hausa. Kamar da na bayyana da Faransanci, yau za mu yi magana da wato akan Assemblée Générale de l'ONU. Haka na nufin zaman babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya. A ne kuma aka kaddamar da wannan zaman taro karo na 78 a birnin New York a ƙasar Amurka. Shi dai wannan zaman taro wani mataki ne mai muhimmanci da ke baiwa majalisar ɗinkin duniya damar samar da siyasar ci gaba da tafiyar da ayyukanta taron yana haɗa wakilan ƙasashe 193 mambobin majalisar ta ɗinkin duniya a yin wannan taro kuma mahalarta na yin nazari sannan kuma suna amincewa da shawarwari da suka danganci batutuwa na ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniyar ke da hurumi a kansu zaman taron kuma na gudane eh, na majalisar ɗinkin duniya yana gudana daga watan september zuwa watan december duk shekara a matakin farko sannan kuma a sake yin bita daga watan janvier zuwa watan september wato mataki na biyu kenan inda a wani lokaci eh, ake nazari a kan rahotanni da kwamiti biyu suka bada wato kwamiti na hudu da kuma kwamiti na biyar na majalisar Merci à Soumana China pour ces éclaircissements, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous aimeriez avoir l'explication en anglais, en français, Jarma, Houssa, Tamashek et en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message écrit ou une note vocale au 82 89 89 64. 82 89 89 64. Nous allons à présent écouter les messages envoyés par nos auditeurs. lalle studio kalangu a wani sigira igogite sigira kangu borela kala feri sigira no kangu bori lahan kena da kanga gine igogidi ir kanga hangan ir wani se lere ra 3 de 5 bon ir gidi kan zurnale ki gino dir hangan manci wakan ir bayan no zama akan burg ba nan bai kante bi borum ko ikine naga hangan kalimci ne se bi fo ne wala han fo yan jirbi hinka wani gaci borsi kan manci jiro kan burg ba wana yadin ga da istidio kalangu borai igihinka hinsi mu mudu watukulu 17 journal ki gite o 18h journal im ko kari hala gine 20h ima de ke programme mo kangana de bon 3 de 5 ko kar borgu duwa borga hangan borgu fur a jour kala ngu sigire ra lalle sigire yanno kan ikuli gonde nafa ti de jeune ngay ko koyde ngay si sigire jare du journal ki gno chaque jour kan de borgu duwa wat kul a jour

pour Vraiment, c'est une radio que vraiment j'admire beaucoup. Moi, j'étais resté à Kwegolo, Il y a la radio Kwegolo, mais je préfère écouter Kalongo que Kwegolo. je suis le secrétaire, du secteur quartier, euh, école garçon, pardon. Donc, euh, vraiment, c'est le programme de Radio Kalangu. Vraiment, c'est un programme alléchant. Vraiment, ça nous permet d'avoir plus d'informations. Vraiment, on est très bien informé. Ça nous rend vraiment à l'aise lorsqu'on écoute Kalangu. Vraiment, on, vraiment, on est branché à des informations fiable. Vraiment, euh, c'est une information qui nous rassure aussi. Donc, nous les exhortons vraiment à continuer de cette lancée. C'est vraiment bon. Madame le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir, de nous avoir suivis. Du côté de la régie, merci à Adam Adawaki à l'édition et Amina Hassan à la technique. Le rendez-vous est pris demain à la même heure avec un autre duo. Excellente journée à vous. Bye bye.